sommes vendredi 4 juin 2021. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse que nous consacrons au décryptage de l'actualité et de la semaine et cela avec des confrères des médias. Aujourd'hui, nous parlerons de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou devant les députés le mercredi 26 mai 2021 à l'Assemblée nationale. Toujours à l'hémicycle, le lundi 31 mai, la Commission nationale des droits humains a présenté la synthèse du rapport cumulé 2019-2020 sur l'état des droits humains au Niger. Et enfin, nous parlerons des journées mondiales de l'hygiène menstruelle et celles sans tabac célébrées respectivement le 28 et 31 mai 2021. Pour en discuter, nous recevons dans ce studio Memouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Memouna. Bonsoir Fatih. Hussein Issa, journaliste également indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. À la modération, Fatih Zakari. Bonsoir à tous. Il est de coutume au Niger qu'en début de mandat, chaque chef de gouvernement présente son programme de travail qui s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République. Mercredi 26 mai 2021, Oumoudou Mahamadou, le chef du gouvernement nigérien, a décliné la déclaration de politique générale de son gouvernement devant les parlementaires. Ainsi, la DPG a été votée par les députés avec 129 euh, voix favorables sur 129 euh, députés présents. L'opposition a boycotté le vote. Alors, euh, quelle lecture faites-vous de la déclaration de politique générale du gouvernement Je commence par vous, Mme Gado. merci donc, Fatih. La lecture que moi je peux faire de la déclaration de politique générale du gouvernement, mhm c'est que euh, d'abord, ça concerne sept axes. Mhm. Et dans les sept axes, moi, je, ce que j'ai pu retenir, c'est mhm. surtout euh, l'axe concernant la sécurité, mhm. l'axe également concernant l'éducation. Donc, euh, pour ce qui est de l'axe concernant la sécurité, vous avez entendu le Premier ministre, il y aura plus de 17%, en tout cas du budget national, qui sera injecté au niveau donc, de la sécurité pour permettre donc à nos forces de défense et de sécurité de faire face donc euh, à cette situation d'insécurité euh, que vivent euh, nos populations dans mm-hmm. certaines régions du pays. il a également parlé de recrutement massif. Mm-hmm. Des jeunes, des jeunes. Mm-hmm. Bon, ici, ce n'est pas le recrutement massif en fait des jeunes que nous voulons, mais c'est surtout l'instruction parce qu'une bonne formation de ces jeunes, mhm. il ne sert à rien aujourd'hui de récupérer ou bien tout simplement euh, de lancer un concours pour ces jeunes mhm. et au finish qu'on se retrouve avec euh, plusieurs euh, donc des jeunes qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas bien formés en tout cas pour faire face à cette situation d'insécurité. Mhm. Donc euh, là, euh, vraiment, il y a des mesures, comme il l'a dit, s'ils prennent des mesures, je, suppose que on peut, éradiquer, ne serait-ce qu'un euh, tout petit peu, donc, cette situation d'insécurité. Là également, l'éducation, ce, qui m'a beaucoup plu, c'est la condition de la jeune fille à mhm. l'école. parce que là, il dit mettre les moyens dans les confins fin fin donc du pays mhm pour que ces jeunes filles puissent aller à l'école étudier comme euh, étudier donc euh, convenablement. Il y aura des internats qui seront en tout cas construits mhm. pour euh, ces jeunes filles. Donc c'est déjà salutaire pour un pays où on estime que les femmes sont à 50, plus de 50% de la population et pour un pays également qui, veut lutter contre l'ignorance au niveau donc de la jeune fille, la protection de la jeune fille, je me dis que là, c'est vraiment bien attendu. Mhm. Voilà. Et également la redynamisation au niveau donc, du secteur de l'élevage et de l'agriculture. Ça aussi, c'est vraiment euh, très favorable mhm. parce que nous sommes un pays d'éleveurs, un pays d'agriculteurs. Donc, euh, nécessairement, il faut moderniser ce système pour mhm. pouvoir euh, permettre donc à la population ou bien au Niger, euh, vraiment d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Mhm. Voilà, Fatih, en quelques ramasser à ramasser ce que j'ai pu retenir donc euh, de cette déclaration. Mhm. Et comme vous l'avez dit, <laughs> l'opposition n'a pas voulu euh, voter <laughs> cette déclaration, s'attendait de toutes les mille manières on savait que ce euh, c'est pas parce que cette opposition a participé au débat. Participer au débat, c'est juste, c'est pour euh, euh, approfondir les choses, mhm. pour, parce que pour parler également de certaines situations. mais tout le monde savait que l'opposition n'allait pas voter de toutes les manières et que ça sera la majorité la majorité des 129 voix pour qui vont voter cette déclaration de politique générale. Mhm. Donc, tant mieux. On l'a voté. Maintenant, nous allons euh, voir quel est le changement que ça va apporter pour la population mhm. dans les cinq années à venir. Nous le souhaitons bon vent. C'est tout ce qu'on peut dire. Nissa, quelle lecture faites-vous euh, de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Amadou. Ce qu'on peut euh, souligner par rapport à cette déclaration, c'est que mhm. il a évité les chiffres, les statistiques. Bien évidemment, parce que son mentor, il a commencé par là, donnant des statistiques, je vais faire tel nombre de classes en tel machin chaque année, je vais faire tel nombre de cas de santé, ceci, cela. Je Bon, en fin de compte, c'est le recul, pratiquement. Cette fois-ci, bon, on espère quand même que bon, il va essayer quand même de un peu de, de, ne pas faire comme son prédécesseur mhm. en essayant de poser des actes concrets parce que bon, il montre un peu qu'il est proche des, populations, mhm. qu'il est à l'écoute des populations. Et il a promis dans le domaine de l'éducation, de la promotion des ressources humaines d'abord de manière générale, mhm. de la lutte contre la corruption et de l'école, la question de l'école. tout ça, c'est des déclarations de bonnes intentions. On ne peut pas d'emblée dire qu'il ne peut pas faire quelque chose dedans. Mais maintenant, comment ça va se faire Parce que, en fait, le problème dans ce pays, ce n'est pas qu'il n'y a pas de ressources. Hein. Il y a des ressources. Mais les ressources ont été très, très mal utilisées. En tout cas, au cours des dix dernières années. Quand j'ai fait ça, parce que c'est un peu l'ironie. Lui, quand il était dans l'opposition, il passait tout son temps à dire que le Niger n'est pas pauvre le Niger souffre d'un problème de gouvernance, de bonne gouvernance. Malheureusement, quand il est arrivé ces 10 ans, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, lui, au bénéfice du doute, hein, au bénéfice du doute, parce mhm. qu'on ne peut pas considérer que bon, tout va être mauvais. Il a mhm. annoncé un certain nombre de choses qu'il va vouloir faire, qu'il va sanctionner. Mhm. Quel que soit par ailleurs le bord de la personne, quand vous considérez que parce que vous êtes du parti au pouvoir, d'un parti au pouvoir, vous allez détourner l'argent public, vous allez faire ceci, cela, il mhm. va frapper. Maintenant, on attend de voir. Concernant euh, cette affaire de, comment on appelle ça, euh, cette affaire d'internat pour maintenir les filles à l'école, mhm. bon, moi, je me pose beaucoup de questions. J'ai connu le système d'internat, mhm. je me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, même faire fonctionner régulièrement l'école, c'est un problème. Créer des internats, d'abord, c'est des coûts supplémentaires. Alors que même pour payer les enseignants aujourd'hui, souvent dans des localités où ce n'est pas possible. on n'arrive pas à le faire de manière, on est en proie à des grèves intempestives dans le système. Comment vous allez prendre une telle charge pour dire vous allez Moi, je dis, créer les conditions d'amélioration du système mhm faisant en sorte que les enseignants soient des enseignants de qualité, mhm. en faisant en sorte que quand l'école démarre, que ça se passe normalement sur les neuf mois, parce qu'il n'y a pas de grève, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. En faisant en sorte que bon, ce qu'on peut créer comme condition pour les scolaires, qu'on puisse, qu'on puisse créer ces conditions-là. Mais moi, je pense que c'est de l'utopie que de croire qu'on peut créer des internats et pour pouvoir maintenir les filles à l'école. Parce qu'il faut éviter aussi l'effet boomerang des internats. Parce que les gens n'en parlent pas. Souvent, les gens n'en parlent pas quand on parle de cette question-là. Il y a des écoles normales qui ont été construites bien avant, depuis longtemps. À mhm. l'époque, il y avait l'internat. Il y avait l'école normale de, de, de, de, qui était là, mhm. l'école normale des jeunes filles. Il y avait Bordeaux après qui s'est arrivé. Il y avait l'école normale des garçons à Tawa. Mhm. Les, Zender également, il y avait l'école normale. Mais c'est quoi souvent mm-hmm. C'était devenu, alors qu'on veut mettre les filles à l'abri, ça devient autre chose. Des gens prenaient leur véhicule ici ou même leur moto pour aller jusqu'à Tilabéry faire les, week-ends. tout ça là, est-ce qu'on a analysé pour dire, est-ce que ce n'est pas un risque que de vouloir mettre Il serait beaucoup plus judicieux de trouver un mécanisme où on peut protéger les filles mm-hmm on crée les conditions pour qu'elle puisse étudier longtemps avec des accompagnements nécessaires et tout et tout. Mais moi, je suis prudent par rapport à cette la histoire de, de l'internat. parce que ça, ça, devient une affaire où c'est pas c'est difficilement contrôlable. Mm-hmm. Hein. C'est aussi l'une des, des, inquiétudes soulevées par euh, les parents de ces jeunes filles, mm-hmm. parce que en fait, en fait, pourquoi est-ce que Peut-être ils ont pris ça en compte au niveau de la déclaration de politique générale pour euh, euh, maintenir les filles à l'école en créant des internats. Parce qu'on a remarqué de tout le temps que quand la petite fille arrive au collège, il n'y a pas moyen de l'envoyer à l'école. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement, mhm. c'est parce qu'il n'y a pas une école ou bien collège à côté, proche, mhm. de cette fille, pour lui permettre d'aller à l'école et de continuer. Donc, c'est pour cela peut-être la vision, c'est de créer des internats pour, être, pour, permettre à ces jeunes filles qui quittent leurs parents après euh, euh, la classe de, CM2, pour euh, embrasser le collège, mhm. d'être dans des conditions pour pouvoir étudier. Parce que nous avons vu, faute de, de collège à côté, ça a fait en sorte que ces jeunes filles se sont retrouvées à la maison et par finir, c'est le mariage précoce et le mariage forcé. et euh, Issa, au sujet de la question sécuritaire, euh, le gouvernement prévoit d'injecter 17% du budget national. Euh, qu'en pensez-vous de cette intention affichée des autorités en matière de sécurité Bon, c'est juste 17%. Ça signifie, ça correspond à quoi Depuis pratiquement 5-6 ans, nous sommes dans cette situation au cours de ces dernières années, mm. on sait que pratiquement il y a eu des coupes sombres sur les budgets, comment dirais-je, les mm. allocations budgétaires concernant le social, l'école, l'éducation, la santé, tout ça. Où on dit qu'il fallait mettre l'argent pour, voilà, pour, pour favoriser et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Mm. Depuis pratiquement 2015, février 2015, que ça a commencé dans la région de Difa, pour atteindre la région, euh, pour toucher la région de Tilabé en 2017. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, Kawa, Maradi. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est juste un effet d'annonce. C'est juste un effet d'annonce. Bon, ça peut ne pas aussi l'être. Peut-être que l'argent va être investi. Mais si c'est pour investir l'argent pour donner à des vendeurs de ciment pour aller acheter des armes, on va aller où le tout n'est pas de dire voilà le montant. Le tout, c'est de créer les conditions pour que, effectivement, cette situation-là. <laughs> Parce que vous imaginez, ça fait pratiquement six ans que ça dure. On a des forces étrangères qui sont venues nous soutenir avec des moyens sophistiqués, mm-hmm. mais ça n'empêche les djihadistes qui viennent en moto. alors, si c'est une façon de dire bon, on va mettre de l'argent, mm-hmm. on a même créé des coalitions de forces militaires au niveau de la sous G5 Sahel, force mixte multinationale. Mais tout ça là, c'est des États qui luttent contre des individus. Et ça fait cinq ans que ça dure, qu'on n'arrive pas à éradiquer ça. Est-ce que c'est une affaire d'argent forcément Moi j'ai dit, pas évident. C'est une affaire de stratégie par rapport à cette situation-là. Moi je suis convaincu et je le soutiens régulièrement. Il faut changer de stratégie de lutte. On est dans un schéma où, bon, c'est quoi on a affaire à des djihadistes, bon, c'est une guerre asymétrique, ils viennent en moto, ceci, cela. Mais les zones dans lesquelles ils se déplacent sur les motos, c'est des zones où les motos sont interdites. Ils arrivent, ils font ce qu'ils ont envie de faire pendant souvent 4 heures de temps, 5 heures de temps, et ils parviennent à fuir. Il faut changer de stratégie. S'il n'y a pas de complicité et tout, et tout, on dit qu'il faut la collaboration. Moi, je dis les populations collaborent. Récemment, j'étais à Télabéry, dans la région de Telabéry. J'étais les populations d'Anzourou qui ont fui. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, les chefs, y compris les chefs de canton. Mais le problème, ce n'est pas forcément que les populations ne collaborent pas. Les populations ont été acculées, c'est pour ça qu'ils ont décidé de quitter. Mhm. Ce n'est pas en injectant 17% du budget, mais ça va aller où les 17% Si c'est pour tomber dans des poches des gens qui sont couchés à yamé sous des climatiseurs, moi j'ai dit il faut changer de stratégie. La stratégie consiste acheter des avions de chasse. Mhm. Et je le disais tout à l'heure, euh, la DPG a été votée à l'unanimité par les députés de la majorité et en l'absence de, de l'opposition. Et comment expliquez-vous euh, cette attitude de l'opposition ben, ils ont, participé. Non, mais non. quelle, attitude Ils ont participé au débat, non Ils ont posé leurs questions, ils ont formulé des inquiétudes. C'est arrivé au, stade de vote ils se sont retirés, de la salle. Mhm. C'est quelle attitude Ils savent que même en restant là, ça va être voté, <laughs> dans tous les cas. Est-ce que le mandat impératif qu'on dit là est nul là Est-ce que c'est appliqué ici Les consignes de vote sont déjà connues. On sait comment. C'est un texte euh, introduit par la majorité, par le Premier ministre. Mhm. Tous les députés de la majorité vont voter systématiquement. En tout cas, même s'il y en a qui ne vont pas voter. Et puis, vous avez vu comment ça s'est passé. Moi, j'ai suivi ça jusqu'à 20 minuit. C'est que ce n'est même pas un vote. C'est comme ça, les gens ont levé la main. Il y en a deux fois. Il y en a. on dit, bon, c'est adopté, c'est fini. alors, c'est les restes même. Ça allait changer quoi 29 ah, ou c'est combien de députés de l'opposition même Ils sont combien Ils sont 29 députés de la majorité. alors, 29, même s'ils lèvent les deux mains là, on compte les deux mains. Pour chaque député, on compte. Ça va faire quoi ça va empêcher l'adoption de, la déclaration de politique Non, on est dans un système, dans un schéma où mhm. c'est c'est notre régime. Mhm. Même quand on sait que c'est pas bon, c'est bon. La lecture que je peux mhm. donner ici, c'est en l'opposition politique ne voudrait pas être euh, témoin, <laughs> en tout cas de la déclaration, du vote de la déclaration de, la politique générale. C'est juste ça. Hein. C'est juste ça. C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'elle continue d'être euh, une opposition parlementaire euh, qui joue son rôle, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Hein. Ah ben, mais <laughs> tout le monde sait que de toutes les manières, avec les 129, les, députés vont voter de toutes les mhm, manières. Donc, en fait, oui, en fait mhm. l'opposition s'est retirée pour ne pas être témoin, euh, montrer à l'opinion mhm, nationale, et internationale que c'est ça l'opposition que les choses se sont passées. En fait, c'est ça. Deuxième partie de cette émission, restez toujours à l'Assemblée nationale pour aborder la présentation de la synthèse du rapport cumulé 2019-2020 sur les droits humains au Niger par la Commission nationale des droits humains des droits de l'homme CNDH. C'était le 31 mai passé. Dans son rapport, la CNDH a révélé plusieurs insuffisances, notamment en milieu euh, carcéral. Mais Mouna Diado, euh, comment réagissez-vous donc euh, par rapport à ce rapport de la Commission nationale des droits humains CNDH en milieu carcéral Bon, <laughs> un milieu carcéral, est-ce mm. que ça a changé quelque chose depuis que la Commission nationale des droits euh, humains mm-hmm. euh, a interpellé plusieurs fois, si je me rappelle très bien, le gouvernement mm-hmm. euh, par rapport à cette situation Mais est-ce que, honnêtement, ça a changé quelque chose je ne pense pas que ça a changé grand-chose. Hein. Euh, bon, si aujourd'hui euh, c'est euh, la CNDH revient au niveau donc de l'Assemblée nationale, mm-hmm. c'est pour encore attirer l'attention, par exemple, du gouvernement, mm-hmm. et des élus locaux par rapport justement à cette situation. Et ce n'est pas seulement au niveau de, des prisons mm-hmm. civiles. Oui euh, que les, droits humains sont bafoués. Mm. Les droits humains sont bafoués un peu partout. Vous vous, souvenez du rapport euh, au niveau la Mairie, mm-hmm. par rapport euh, à l'attaque de Chinagoder, Inates, mm. où il y a eu un rapport qui a été publié par la Commission des droits humains. Mm-hmm mais est-ce que ça a également changé grand-chose Donc je pense que en fait, c'est juste que cette commission est en train de jouer son rôle. Mhm. Parce que c'est vrai, elle doit attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette négligence des droits humains. Mhm. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un suivi après C'est ça aussi qu'il faut mhm. se demander. Parce que c'est un rapport de 2019-2020. Maintenant, après ce rapport, est-ce qu'il y aura un suivi de ce rapport parce que s'il n'y a pas un suivi de ce rapport, je ne penserais pas que ça pourrait vraiment éventuellement changer quelque chose dans cette situation. Et ils ont parlé également qu'une loi doit être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale par rapport euh, aux, bonnes, les bonnes que nous employons dans nos maisons pour pouvoir les protéger. Ça, je me dis également, ça, c'est une très bonne chose. Les, domestiques. Les domestiques, oui, oui, les filles domestiques, les mhm. bonnes, là que nous prenons euh, dans nos maisons, et mhm. il faut les sécuriser. Mhm. Et ça, je, je, félicite en tout cas la CNH, euh, par rapport à ça. Parce que, en fait, c'est vraiment des, des, des, petites filles, des jeunes, des femmes qu'on exploite n'importe comment. Donc il faut que ça cesse. Et également par rapport euh, justement à cette affaire d'esclavage mhm. euh, qui n'en finit pas euh, au Niger, où il faut remonter à l'ethnie de la personne, juger la personne par rapport justement à cette affaire d'esclavage. Là également, la CNDH a été, claire mhm. sur sa position il faut que ça cesse, certaines choses pratiques cessent au Niger. Mhm. En fonction des droits humains, je pense que nous naissons à égalité, donc euh, plus de chances également. Nous devrons avoir les mêmes chances. Mhm. donc euh, en, droits humains. C'est vraiment euh, ce que je peux dire par rapport donc, à ce rapport, c'est qu'il y ait plus de suivi. Mhm. C'est, les rapports, c'est bon, c'est bien de venir interpeller, c'est bien de, de venir dénoncer, mais il faut le suivi. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas de suivi, je ne penserai pas que ça peut aboutir à grand-chose. Bien sûr. Nissa hmm? <laughs> la, la, CNDH a publié donc son rapport 2019-2020 euh, dans lequel euh, il souligne donc euh, la violation des droits de l'homme en milieu carcéral. C'est ça le milieu carcéral. Il y a même le milieu libre. <laughs> le milieu libre même. Est-ce que les droits des citoyens sont respectés Moi, quand j'ai parcouru un peu le document, je me suis dit, bon, à quoi ces institutions-là servent mhm. Parce qu'ils développent, ils disent, bon, nous, nous allons faire un rapport, parce que voilà ce que les textes de loi disent, voilà notre statut et tout et tout. Mais quand vous faites un travail de cette nature-là, normalement, les, les, remarques, les observations, les recommandations qui sont formulées mhm. doivent être mises en œuvre. Mhm. Vous faites un rapport, vous déposez, vous venez comme ça, folklore, on lit, voilà ce qu'on a constaté, il faut améliorer, il faut améliorer. Il n'y a personne, et on vous écoute simplement, il n'y a personne, parce que c'est l'exécutif qui peut améliorer. Si l'exécutif, il n'y a pas de contrainte pour que ce qu'on a constaté là, qu'on puisse améliorer, qu'il puisse y avoir des sanctions, ça sert à quoi En fin de compte, ça sert à quoi On paie des gens à aller faire des enquêtes, payer des experts qui vont aller sur le terrain et tout et tout. En fin de compte, ça sert à quoi Parce que normalement, ça doit donner lieu mm-hmm. à un changement. Mais ils vont souvent faire ce rapport-là cette année, ils ont présenté. L'année d'après, les mêmes remarques, les mêmes observations vont revenir au milieu carcéral. Un milieu dehors. Dehors, là. Il y a combien de, de droits des citoyens qui sont bafoués même droit à la manifestation et tout et tout. C'est pas fait plus en prison. Ils vont dire non, non, non, il faut, ils vont changer quoi. La prison civile doit compter 360 personnes. Il y a plus de 1000 et quelques. 1000 et quelques, je ne sais plus combien. Ça dépasse Ça dépasse ça. Alors, mais alors, vous allez partir, ok, vous allez, vous allez observer et tout et tout, et c'est fini. La Coupe de comptes également. Ça sert à quoi Ça sert à quoi Ils font comme on avait dit, ils doivent auditer euh, la gestion des finances publiques. Ils font, ils font leur rapport, et transmettent parce que tout simplement, le législateur s'est arrangé pour que. Ok, c'est votre travail. Allez, on vous donne du travail, document. On paye des millions à des gens. Nous produisez-nous seulement les documents. Maintenant, ça n'engage que vous. Nous, on ne va pas améliorer. On n'a même pas amélioré les conditions des gens qui sont dehors. <laughs> Comment nous allons, vous voulez, avec quel moyen Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on crée les conditions. Quand on crée une institution, et c'est des institutions qui sont constitutionnalisées. On ne peut pas créer une institution constitutionnalisée et dire que le travail qu'il fait là, c'est juste un document. On a fait, on va aller remettre ça au président de la République la copie, on va aller devant l'Assemblée, on va présenter. Voilà ce que nous avons constaté. Il faut changer. Les recommandations, même les gens ne suivent pas. Et j'ai vu un autre deux documents par rapport au marché public. Au marché public, où quand on octroie, des recommandations ont été faites, des constats ont été graves. Graves. comment on peut lutter contre la corruption Comment on peut lutter contre le détournement des deniers publics quand c'est rapport-là qui montre que dans telle structure, des gens ont volé l'argent. On s'en fout. L'essentiel, d'ailleurs, le document est là, demain, on peut aller l'utiliser pour dire voilà ce que nous faisons comme travail. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on change ainsi, on veut vraiment avancer. Moi, c'est ma conviction profonde. Ça ne sert à rien une institution où on paye des millions à des gens pour ce résultat-là. Le document là, dans 10 ans, ce rapport qui vient de sortir, dans 5 ans même, on ne sait même pas. Hum. C'est fini. on va brûler C'est tout. Ça n'aura servi à rien. Euh, c'est quoi le travail là Travail inutile Travail arabe, comme on dit Parce que moi, c'est ça. Parce que les, organisations internationales ont dit, machin, il faut faire un rapport annuel. Mais est-ce que c'est les... On veut améliorer quoi la visibilité des organisations internationales ou bien la visibilité ou le quotidien des citoyens, la, gouvernance dans les pays. Voilà, c'est ces questionnements-là, il faut faire. Mais qui le fait Khalid a fait son travail pour ça, avec son équipe et tout et tout. Mais c'est fini. <laughs> Terminé. Le rapport est là, nous, nous avons présenté. <laughs> on attend le rapport de 2022. On attend 2022. 2022. Voilà. L'argent, au moins, on a justifié l'argent qu'on nous paye. Non voilà la troisième et dernière partie euh, du forum. Euh, la communauté internationale a célébré le 28 mai 2021 la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. L'objectif euh, est de briser les tabous et une prise en compte de la gestion de l'hygiène menstruelle par le politique. Mais Mouniado, est-ce qu'aujourd'hui les parents échangent avec leurs enfants sous les menstrues Mais maintenant, c'est difficile. Je, t'avoue, Fatih, c'est très mhm. difficile euh, pour une femme, surtout euh, au Niger, hein, mhm. pour une femme de discuter avec sa fille sur euh, les questions de menstruer. Parce que j'ai eu à sillonner pas mal de, de villages mhm. par rapport à, ce sujet. Mhm. ou quand je demande à ces jeunes filles, est-ce que qui vous a informé par rapport à la menstruation tout de suite, elles me disent que non, elles ont été informées par des amis, elles ont été informées par les réseaux sociaux, elles ont été mm. informées par euh, les sensibilisations foraines et tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, euh, les organisations, les ONG euh, de développement sont en train de lutter pour qu'il y ait un changement de comportement mm-hmm. au niveau de la femme nigérienne. mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à briser ce tabou on n'arrive pas à briser. Parce que certaines femmes ou bien certaines mères pensent que en essayant de dire à sa fille, voilà comment est-ce qu'il faut faire quand tu as tes premières règles, mhm. les menstrues, comment est-ce que tu dois euh, t'adapter à cette situation et pensent que peut-être qu'elles sont en train d'envoyer leur fille déjà à la dans la débauche. Mhm. <laughs> c'est leur compréhension comme ça. Mais maintenant, si on veut qu'il y ait réellement un changement de mentalité, mhm. il faut plus d'engagement, de ces ONG de développement par rapport à cette situation. Et non seulement pas la jeune fille, la femme qui est mère aujourd'hui et ensuite même les hommes doivent être impliqués dans cette situation. Mhm. Parce que même un père aujourd'hui peut très bien parler de cette situation à sa fille. Mhm. Si la mère aujourd'hui ne peut pas parler de cette situation, en tant que père, je me dis que il est une obligation aujourd'hui également à ce papa-là de mettre euh, sa fille, d'être près de sa fille pour le conseiller, pour la conseiller, pour lui dire certaines choses par rapport à ça. C'est pas un sujet tabou. Il faut que les gens sachent que c'est plus un sujet tabou parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si on n'arrive pas à communiquer avec nos propres filles, mais la rue va communiquer avec ces filles-là. Les réseaux sociaux vont euh, être des outils pratiques pour ces jeunes filles-là. Ne pensez pas que la jeune fille d'aujourd'hui ne sait pas comment est-ce qu'il faut gérer cette situation de menstrues. Elles connaissent très bien comment est-ce qu'il faut gérer cette situation de menstrues. Donc, évitez de regarder cette jeune fille et pensez que en discutant avec votre vie vous la mettez euh, à la débauche. Et, quelles conséquences cela peut avoir sur le vécu de la femme ou bien de la petite fille euh, si les parents n'échangent pas avec euh, leur enfant Mais si les parents ne changent pas avec la fille, c'est ce que je suis en train de dire, mm. c'est les réseaux sociaux qui vont récupérer mm-hmm. la jeune fille. Et aujourd'hui, également du point de vue de sa santé aussi. Mm-hmm. Parce que ça aussi, c'est, il faut parler de la fertilité de la fille. Parce que c'est également euh, euh, euh, la porte d'entrée pour certaines maladies. Mhm. Si la fille aujourd'hui ne sait pas comment est-ce qu'elle doit s'occuper de ses, de, serviettes hygiéniques, mhm. comment est-ce qu'elle doit se rendre propre, comment est-ce qu'elle doit vivre en communauté mhm. et avec ses camarades, avec la société, tout en étant bien sûr dans cette situation de menstruée. Donc, c'est un risque pour la jeune fille. C'est un risque également pour la maman. Parce que certaines, beaucoup de filles, mhm. beaucoup de nos parents ne savaient pas que euh, cette situation conduisait également à euh, l'infertilité mhm. de la fille. Si elle n'est pas bien, prise, en charge, si elle n'est pas propre au quotidien, ça peut également, euh, comme je l'ai dit, c'est une porte ouverte pour certains microbes et certaines maladies. Fatih. Donc, je me, je, me pose la question, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, il n'y a plus question de tabou dans cette situation. Mhm. Parlez-en à vos filles, conseillez-les, montrez-leur comment est-ce qu'elles doivent faire face à cette situation, comment est-ce qu'elles doivent s'adapter à cette situation, parce que nous avons vu que certaines filles, de ces filles-là, qui voient euh, pour la première fois leur menstru, euh, euh, quittent l'école. Oui. Elles quittent, elles abandonnent l'école. Mhm. Parfois, c'est quoi Parce que quand ça vient, c'est à l'école que ça vient. Ça vient entouré de tes amis, mm-hmm. ça vient entouré des garçons. Donc, il y a des moqueries, il y a certaines choses que les filles subissent. Donc, ce qui fait qu'elle a la honte mm-hmm. de l'année et elle préfère rester à la maison et ne pas venir à l'école. Donc pour ne pas laisser nos filles rester à la maison durant les cinq jours que ça va prendre ou les six jours que ça va prendre, essayons de les éduquer à notre manière, de leur montrer que ce n'est pas un mal en soi, c'est quelque chose éphémère de la nature. Donc, il faut que les filles s'adaptent à ça. Il faut que nous aussi, nous, en tant que mères, nous nous adaptons à contrôler nos filles en leur indiquant euh, comment est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Voilà, Fatih. Ousainissa. Je pense que c'est que euh, Mais a dit là. Moi, tout ce que je veux savoir. La oui, ce que vous vient oui. dit, là, moi, j'adhère totalement. En réalité, le problème, le, le blocage, c'est un peu en lien aussi avec la religion quelque part. Quoi. Parce que, bon, un peu l'éducation dans, nos, dans les foyers, c'est qu'il y a des choses qu'on dit que le parent ne doit pas faire. Mhm. Il y a des parents qui ne peuvent même pas s'asseoir causer avec leur fille pour dire voilà, voilà. Mhm. pas des problèmes précis, pas forcément en lien. Même des problèmes, il y en a qui considèrent que nous, c'est la barrière. Mhm. Alors que normalement, tu dois mettre la personne en confiance. Bien sûr. Quand tu as un problème, que ce soit un problème de, de, santé, que de, maternité, de sexualité, il n'y a pas de, tabou en ça il faut parler à la personne pour éviter, ah, certaines, choses. éviter certaines choses. Mhm. Parce que quand vous sensibilisez la fille déjà par rapport un peu à ces, à ces choses-là, elle va se dire non, on m'a parlé. Alors, et je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surpris. Alors, mais si vous considérez que non, non, non, il n'y a pas de contact euh, entre mère, et fille. Euh, mère et fille ou père. Père, et fille également. ça, pose problème après. Mhm. Maintenant, bon, Aujourd'hui, on en a fait une journée, on a dévié une journée à ça. Je ne sais pas, ça a commencé quand C'est cette année Non, c'est pas cette année, ça, a un peu duré. Mais euh, je ne sais pas, moi, c'est l'année, ou cette année, je ne sais pas. quand ça tombe, je ne suis pas au courant. Mais je me dis quelque chose, c'est bien, c'est bien, mais je me pose la pertinence de l'institution de ces journées quelque part. Quand on pense que c'est au cours de la journée seulement qu'il faut parler du sujet. Journée mondiale de la femme, tout le monde est mobilisé pour parler. Mhm. Journée mondiale, ça doit être continuel. Mhm. Moi, je dis, les actions ne doivent pas s'arrêter ou se limiter à la seule journée. Ça va changer quoi Quand des gens vont se réunir, faire euh, machin, mes suis manger, allez. Il faut l'année prochaine. Il faut l'année prochaine encore. Il y, a, y a, bon, et même les actions qui sont posées par les organisations et autres sont des actions diffuses. Ça n'a pas véritablement en tout cas, on ne sent pas. Mhm. Qu'est-ce qui a changé concrètement Il faut mettre fin à tout ça. C'est des actions sur la durée. Les liens entre parents et, comment on appelle et, <laughs> bah enfants. moi, j'ai dit, c'est des liens d'abord, c'est dans la famille, c'est des choses qui se gèrent en famille. Mhm. Je ne vois pas pourquoi se mettre penser que tu dois pas. Mais c'est toi qui as conçu, qui as mis la personne au monde. Tu dois l'aider à un certain nombre de choses au regard de son âge et tout et tout, mhm. pour qu'elle ne soit pas surprise. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, euh, se contenter de considérer que c'est mondial, parce que de l'autre côté, les gens ont des critiques et c'est comme ça mondial, mhm. on peut changer les choses. Les obstacles, les freins sont toujours là. Mhm. Il y en a, vous allez leur parler de ces choses-là, des marabouts, ils vont vous dire non, non, non, ça, ça, Comment vous allez oser parler de, de ces choses-là avec votre fille voilà, on dit c'est pas bon parce que. Mais <laughs> c'est ce que j'ai dit. Au risque de ne pas parler de cette situation à sa fille, mhm. c'est les réseaux sociaux qui vont les. Oui, mais les réseaux sociaux, ça c'est pour les filles euh, citadines, les filles qui vivent dans un milieu euh, Oui, euh, urbain, mais, mais qui. mais qui sont, en, campagne, oui c'est l'abondance, ce que je viens de dire, mhm. l'abondance est et truc de l'école. Mhm. Ça veut dire que ces filles ne savent même pas quand est-ce qu'elles vont l'avoir Et quand elles ont, elles ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire. Elles savent, parce que avant, c'est, nos, vieilles mamans ont utilisé des torchons. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a le modernisme qui est là. Mais même avec les torchons, il faut apprendre à cette jeune fille mm. comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Mais comment aujourd'hui Comment est-ce qu'il faut s'asseoir Parce qu'il y a des filles qui peuvent s'asseoir du matin jusqu'au soir avec une seule serviette. Donc, ça affecte la santé de la mm-hmm. jeune fille. Donc c'est pour ça que nous, nous voulons que les tabous là, mhm. comme Hussein l'a dit. Oui, comment les briser Il faut les briser. Et comment les briser mhm. C'est ce que a dit. Mhm. Parler avec sa fille, ce n'est pas un tabou. Parler avec le père doit parler avec sa fille aussi, parce que ici on a comme l'impression que comme c'est une fille, c'est la mère qui doit l'éduquer. Non, le père aussi doit éduquer sa fille en éduquant sa fille, il faut essayer de, dire certaines réalités à cette fille. Parce que vous la préparez déjà à être une maman, à elle-même, à être une maman. Parce qu'à un certain âge, quand votre fille arrive à, un stade de 18 ans, un stade de 16, 17, 18 ans, vous ne serez plus là. Quand elle, elle sera peut-être euh, dans son propre foyer, comment est-ce que vous allez faire C'est dès maintenant que l'éducation se prépare pour son foyer. Donc, L'éducation se prépare au niveau euh, de la mère, au niveau du père. Le père ne devrait pas être, ne doit pas être absent. En tout cas, dans la sensibilisation mhm. de sa fille par rapport à certaines choses. Et la mère aussi doit être stricte par rapport à certaines choses. Si la mère n'avait pas eu la possibilité, n'a pas eu la possibilité d'être enseignée par ses <coughs> parents, c'est parce que tout simplement, avant, il y avait cette histoire de euh, tabou <laughs> où le, maraboutage ou bien l'islam ne permettait pas à une mère d'être à côté de sa fille pour lui dire certaines choses. Mais même avant, c'était la grand-mère qui s'occupait de l'éducation de sa petite mhm. fille. Donc, pour vous dire que maintenant, il faut vraiment qu'on brise les tabous. C'est très difficile. Mais avec, euh, il y a espoir quand même, avec certaines ONG de développement qui sont euh, sur le terrain en train de sensibiliser ces mères, sensibiliser ces filles, sensibiliser également les hommes, les mhm. garçons. Parce que, comme j'ai dit, la situation, c'est surtout au niveau de l'école que c'est dramatique. Mhm, c'est dramatique. Parce qu'une fille qui ne connaît pas ça et qui voit ça, parmi des garçons, brutalement, dans une classe où les garçons se moquent d'elle. <laughs> Mais vous pensez que c'est une honte pour elle, c'est une honte l'année, la honte de l'année pour elle. Et elle va pouvoir euh, euh, vraiment ne pas venir à l'école. Voilà, voilà, autre journée à commémorer au cours de cette euh, semaine, c'est la journée mondiale sans tabac. Au Niger, la prévalence du tabac est estimée à 6,6%. Ce taux est de 10,7% chez les hommes et 1,5% chez les femmes, a déclaré le ministre de la Santé publique à l'occasion de cette journée. Au vu donc euh, du nombre important de fumeurs, euh, peut-on se poser la question sur la loi anti-tabac et de son décret d'application adopté par le gouvernement le 11 septembre 2008 au CENI Bon, vous savez, cette loi-là, hein, j'ai un temps, bon, pas milité en tant que tel, mais conseiller de Inus Sauna, SOS Tabagisme. Pendant un temps, on a fait pousser les choses. Mhm. Mais je veux dire, la problématique aujourd'hui, on parle de journée mondiale sans tabac. C'est une journée où on dit aux gens, au moins se respecter, ne pas fumer la journée. Mais j'ai dit quelque part, il n'y a aucune volonté de réduire. Les pays où on veut créer les conditions où on veut réduire, c'est que quand on sait qu'on n'aille pas à réduire, euh, comment dire, le nombre, on fait en sorte que l'accès, l'accès, le coût, le coût, l'accès, mhm. l'accès même à la cigarette, c'est un problème. Parce que vous pouvez avoir l'argent. Vous avez envie de fumer. Il vous faut parcourir, aller jusqu'à nouveau marché pour trouver un point de vente de cigarettes. Ça va vous dissuader. Et on ne vous vend pas la cigarette en détail. Bon. Ici, c'est ça la chose la plus répandue. Partout, le tablier. Accessible. <laughs> accessible. C'est 25 francs, vous avez 25 francs, vous avez. Ailleurs, ce n'est pas possible il faut aller dans des points bien précis où souvent il faut même présenter une pièce pour qu'on puisse vous vendre. Et c'est cher. Ça, c'est du Mais Mais décréter juste disent bon, c'est la journée, on fait un discours et puis on dit c'est terminé. Parce que les lieux publics, on dit, bon, bien évidemment, il y a des lieux publics où on dit interdit de fumer, voilà. N'est-ce pas <laughs> Tout ça là. Le gars, il peut sortir, il s'assoit dehors, il fume, il revient. Mais quand c'est le coût, on te dit un paquet de cigarettes à 5 000. Bon, alors, <laughs> tu vas réfléchir par deux fois avant de mettre 5 000. On ne veut même pas combattre ça. C'est tellement facile à faire. Ça fait des années. Ce n'est pas la loi là qui va interdire. Il y a des pays où vous ne pouvez pas. Il y a des, comment des, des coins où on prévu pour les fumeurs. C'est-à-dire que vous venez, c'est là-bas. Mhm. Vous n'oserez pas fumer même dans la rue. Mhm. Et c'est ce qu'il y a ça. Il n'y en a pas. Mais alors, <laughs> on veut arriver à quel stade Quand le tablier, c'est ça la chose la plus. Le, tablier ambulant. C'est ça, il a plus de cigarettes que d'autres. Bah, après, écoutez, Memouna, nous sommes presque là. Oui, bon. Memouna, pourquoi cette euh, loi semble être jetée aux oubliés Mais, mais, mais Fatih, on, vote une loi il n'y a pas l'application. l'application de cette loi, est-ce que c'est hmm. sévère est-ce qu'aujourd'hui, il y a des contrôles Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de regarder les places publiques là où on interdit aux gens de fumer Est-ce qu'aujourd'hui, on peut interdire, par exemple, aux scènes de fumer dans la rue Pourtant, c'est une place publique, moi, je me dis. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, parce que l'État ne peut pas. L'État ne peut pas parce que l'État se retrouve dedans. L'importation, l'importation. si S'ils veulent réellement euh, mettre fin à cette situation de cigarettes, ah euh, tabagisme. Mais il faut, mettre, euh, il faut essayer sur l'importation. Mettre fin, par exemple, ou mhm. diminuer son importation vers le Niger. Mais ça ne peut pas, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible parce que l'État se retrouve dedans. Mhm. Je te dis financièrement, <laughs> c'est vraiment de l'argent qui rentre pour l'État. Nous sommes donc, Maïmouna, nous sommes à la fin. Hein de cette émission. Donc, c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de Husseini Issa, journaliste indépendant, Maimouna Yado, journaliste indépendante également. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation était assurée par Fatih Zakari. Merci à vous et de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes le samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème Contribution des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre et le forum en germain dimanche à 18h15 sur le thème Femmes et politique, quelle place pour les femmes à Gaïa et quels obstacles La technique, c'est Issa Lawali et à la réalisation vidéo Mustafa Ayouba.